Man quotidien d'aujourd'hui, mardi. « 20 juin 2023 Thème « Comment échapper au jugement de Dieu » Comment échapper au jugement de Dieu Prions, Père, nous te remercions, nous te bénissons pour cette parole. Nous prions que ce que tu en as pour nous, aide-nous Seigneur à l'entendre comme tu, la parole, vient vers nous. Et aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies au nom de Jésus. Merci car, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Comment échapper au jugement de Dieu Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 12. Ainsi par l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et, là, prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'éternel roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par ces portes. Ainsi par l'éternel, pratiquer la justice et l'équité, d'élever le premier des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans le, ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi par l'Éternel, c'est la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galade, comme le sommet de Liban, mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jeteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville Et leur répondra parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point, celui qui est mort, et ne vous lamentez pas celui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va car il n'en reviendra plus et ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi par l'Éternel sur Shalom, fils de Josia, roi de Juda, qui règne à la place de Josia, son père, et qui est sorti de ce lieu et n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on mené, captif, et il ne verra plus ce pays. Verset 3. 4. Ainsi par l'Éternel, pratiquer la justice et l'iniquité, oh, et l'équité, délivrer le premier des mains de l'oppresseur. Les dirigeants des nations et les grands hommes parmi leurs citoyens passent souvent de longues périodes à se demander et à travailler sur la meilleure façon de se reconstruire même leur pays et d'améliorer le période et à se demander à travailler sur les meilleures façons de reconstruire leur pays et même d'améliorer le bien-être de leur peuple. La plupart du temps, ils échouent et quand cela fonctionne, ce n'est que pour une brève période avant que la corruption ne s'installe et que le pays ne tombe pas encore dans la dégresse. La corruption et la désobéissance entraînent finalement le mécontentement et le jugement divin. Dieu seul a le plan pour une paix durable. Le progrès, le développement et la postérité des nations d'après le test, il a dit au roi de Juda d'être juste, d'exécuter le jugement avec justice et de protéger les faibles parmi ses sujets, de traiter les étrangers avec amour, soin et respect et de défendre les orphelins et les veuves et ne permettrait pas à la violence et à l'effusion du sang de régner dans le pays. Si le roi respectait ses directives, sa nation prospérerait, son règne sera pacifique et ses successeurs monteront sur le trône de manière ordonnée et pour longtemps. Mais s'il rejetait l'ordre de Dieu, la nation serait envahie, ravagée, les villes ne seraient pas habitées le pays serait incendié et transformé en désert. Les visiteurs seront choqués par l'entendu, bien par l'étendue des dégâts. Pour échapper au jugement de Dieu, les pécheurs doivent se repentir. Ils doivent confesser, ils doivent abandonner tous leurs péchés et croire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu désire que tous les hommes obéissent à ses supplications. Il dit, je suis à la porte et je demande que celui qui entend ma voix vienne. Ceux qui le rejettent aujourd'hui feront face à son jugement à la fin de leur vie. Moi, je ne peux faire face à, ce jugement divin à la fin de ma vie. Alors je donne ma vie à toi. Et toi, que diras tu Que dirais-tu Que Dieu nous aide. Pensez du La repentance ouvre la porte pour échapper à la colère de Dieu. La repentance ouvre la porte pour échapper à la colère de Dieu. La Bible en un nom. 1 Timothée chapitre 6 jusqu'au à partir du verset chapitre 1. 1 Timothée chapitre 6 à partir du chapitre 1. Prions, Père, nous te bénissons nous te glorifions. Merci pour cette parole. Aide-nous, Seigneur, à venir vers toi et à se repentir de quelle que soit la situation, Seigneur. Nous allons t'adorer. Nous allons faire ce qui est bon et juste devant toi au Jésus. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.